Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance en nous les gars et merci de oui, de like, merci de continuer à vous abonner, merci également de laisser vos commentaires et de faire partie de la famille eSport TV. La Confédération africaine de football exige au Sénégal comme aux autres pays une liste de 30 joueurs. Donc Koutaï, CAF ci boppam exiger. exigé Aliou exigé ko club et une équipe nationale yëpp bok. li nga ñu 30 joueurs au plus tard le 30 décembre parce que si on se rappelle les gars euh, ñii di waa kaf dañu joxone liste et que bu nek da joxe liste 23 ñu dem ba ci biir ñu né dañuy joxe liste 28 jëm ci coupe d'Afrique des nations 4 2021 au Cameroun et à Cissé moom mu ne euh, liste maximum bi mu mën 26. joxe mooy 26 joxe parce que nee euh, fédération bi ak charge ñu war am ak yooyu gëmul ñu mën a euh, supporter ça jouer parce que day 10 interruptions si ñoom liste 26, le prévoir mais aujourd'hui la CAF selon donc le site algérien bien entendu elwatan.com, donc ñoo joxe li ruusee ci euh, assemblée bi nga xamone wa waa CAF nañ ko ngir wax équipe yépp nañ joxe liste 30 jours avant le 30 décembre au plus tard mooy deadline avant le 31 décembre nañ donc aujourd'hui dina nekk euh, opportunité pour Aliou 30 temps boobu mu élargir ko indi yeneen joueurs yoo xam aussi dinañ mën combler li nga xam ne absence blessure mais aujourd'hui lu CAF def pourquoi la CAF a décidé de demander aux équipes nationales de donner une liste de 30 joueurs Moi, que ne gis Il y a un nouveau variant qui s'appelle Omicron ou ci variant Covid bu bees bi la nga xam de Afrique du Sud lañ ko tàmbalee gis commencé di law variant bobu nak motax ñu pour empêcher et pour réduire les risques de contamination mais également euh, ngir permettre yenn équipe nationale yi ñu buñu amé amee yenn nombre de euh, d'absence yi Covid yi ñu mëna jouer légui motax tax né légui buñu défé liste 30 dina tax même bu équipe bi amé 11 cas Covid 19 du l'intérêt jouer seen match Coupe d'Afrique. donc dina tax ñu bañ reporter ben match donc occasion le pour Aliou wo woo yenn joueurs yu ci peut être entre autres Karambo Pape Alun Pape Alioune entre autres ak yeneen joueur ay Samba Diallo pour mener renforcer équipe nationale parce que taille comme je l'ai dit et je continue à le dire quand on a les meilleurs joueurs du monde et les meilleurs joueurs d'Afrique il faut que jël leen liste maintenant cela appartient à l'UCC mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui avec cette liste de 30 le Sénégal a la, possibilité à Cissé d'une possibilité donc élargir sa liste de ratisser large comme on le dit de pouvoir appeler les meilleurs joueurs où qu'ils soient. Founou Montinek, Founou Montinek. Il y a Bas de Olympiakos avec Papa Boussissé qui peut venir en défense. Il y a également Karambot, il y a Samba Diallo au milieu de terrain qui est en train de faire beaucoup de belles choses au niveau de euh, comment dire, du Dynamo de Kiev. Amna un joueur ñom Lis Moussé yi nek en Angleterre. Amna peut-être yenen milieu de terrain Papa Alioune Ndiaye bi aussi il commence à revenir en forme dina tax Sénégal mëna amat ben ossature parce que boy c'est suñu ossature équipe nationale bi ñi 2019 notamment finale il y a beaucoup de joueurs yo xamné peut-être également d'une autre occasion nous appeler des joueurs yoo xam sur le flanc droit bi problème comme Delamine Gassama même s'il ne joue pas bon il a été le meilleur joueur de la dernière canne le meilleur passeur donc de la dernière canne pour le Sénégal je passe et l'ami Gassama c'est bien entendu un défenseur solide Sabali bu en forme ce serait bien Bounassar, il est bien il mais il manque de temps de jeu Abdou également il est bien il manque de temps de jeu en tout cas la décision appartient à lui c'est ça à lui de voir mais bu peut gagner Coupe d'Afrique B. c'est une opportunité de ratisser l'âge du Sénégal qui est dans le groupe B comme vous le savez en compagnie du Zimbabwe de la Guinée et du Malawi le Sénégal parmi les grandes favoris de cette compétition le Sénégal, aujourd'hui, qui veut remporter pour la première fois de son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui aura peut-être l'opportunité de prendre sa revanche sur le Cameroun, qui nous avait éliminé en quart de finale en 2017. Le Cameroun qui nous avait primé, euh, privé de notre premier sacre en 2002, en 2000 plutôt. Euh, mais tamit information bi joxoon vous ko papier bu ma defoon mu un xool ci site bi boo xam exclusivement au ministre des Sports Matarba. mon euh, budget Sénégal pour Coupe d'Afrique bi 5 milliards. Je vous avais donné cette exclusivité. Donc milliards L'un prévoir pour mon Sénégal dans les meilleures conditions le Sénégal qui doit être à Kigali avant le 30 bien entendu décembre d'ici le 31 décembre Sénégal on na que Kigali madame c'est Rwanda finir en euh, base d'entraînement préparation il a repris ses entraînements on espère que d'ici là dina monnaie jouer également Crépin qui est forfait donc il faut que nous renforcer Yeni. heureusement pas Abou est en train de venir revenir en forme Bas également en train de revenir en forme sec et bien euh, Cambodge est en train de faire de très très très bonnes choses avec son club au Qatari. Donc aujourd'hui, Sadio également qui est en forme, ce sera l'opportunité de Alucissé, à plutôt d'appeler les meilleurs joueurs vu que CAF a léegi 30 jours le niveau. même à Amé 11 est absenté wala ñu am Covid du a jouer ce Coupe d'Afrique en tout cas gars vous woy like vous abonner, di abonné vous leen la famille eSport TV Dia,